Eh, eh, Les euh, gars, nañu 5 am cinq candidatures déclarées au sein de des membres de l'ex parti PASTEF hmm? euh, ki ci Abbas Fall Guillaume Marius Biram Birame Souleye Diop El Malik euh, ak après finalement nous avons récupéré récupérer fiches fiche de parrainage donc finalement son sommes connus pour ñu ñu ñu y mais il y a aussi nous avons préparé un plan B euh, dina donne aussi nek lo xamanteni que euh, peut-être mu nek ben début de solution. par rapport à problème bi plan B nous ñu préparer ko. Mm. ñom ñoo préparer man mënuma leen a wax li def. Mm-hmm. c'est les personnes responsables. li ñuy def à ce niveau xam nañ ko awma luma leen di conseiller mais man je suis persuadé que un plan B pour eux. à l'intérieur de PASTEF. Mm. ce sera difficile ok ben on parle de Guy Marius hein, depuis quelque temps par rapport à euh, tournée bi nga xamante def aussi au niveau de la diaspora ak euh, on a vu récemment en Italie mobilisation bi nga xam à que na fa def ak que euh, bu mu jot aussi. pour dama la bëgg a wax ci diaspora. Mhm. diaspora bu ñu une élection. Mhm. majorité B, mhm. duñ fa am vingt pour la majorité là mhm. dañu au niveau de la diaspora La mhm. diaspora mhm. l'opposition opposition à 80 ou quatre c'est une certitude mais en am <clears throat> nga am nit ñi nous ak ñoo pour ñoom du dara loolu la a pour ok